Merci pour ces question, Bachir. exchange nan ñuy galee gañee xaalis par exemple yow Bachir da ngay ñëw nga dem si exchange bi nga yor fa sa bitcoin instant bi nii disons benn bitcoin que ngi o cinquante mille dollars yooyu yow nga bëgg ka jaay ñoom ce qu'ils font c'est ils vont mettre juste en face des acheteurs et des vendeurs après ce qu'ils prendre mooy benn marge entre yow li ngay jaayee ak keneen ki lu mu bëgg a tu vois léegi imaginons nga bëgg a jaayee à 50 000 dollars dañuy dem jaayee keneen ki à 50 500 dollars tu vois donc entre temps ñoom cinq dollars boobu noonu moom mais en bitcoin la majeure partie des exchanges là que tu vois ñoom ils ne gardent que des bitcoins. wala boog xaalis bi ñuy récupérer après suñ ko defee un compte en banque dañuy dem jëndaat ay bitcoin pour se protéger wala boog suñu gàddee tuuti day nekk réserve tu vois donc loolu mooy une partie bi nga xam ne noonu la ñuy gañee xaalis am na ñeneen exchange yoo xam ni à part li ma la wax nii dañuy jël si frais yi maanaam am nga frais yi nga xam ni moom la ñëpp di fay suñuy def transaction su la blockchain bitcoin entre guillemets sur le réseau bitcoin am na exchange yoo xam ne dañuy surcharger frais yooyu noonu dañ si yokk benn zero virgule quinze pour cent wala benn zero virgule dix pour cent et tout le temps dañ koy jël aussi un bitcoin tu vois léegi troisième partie bi nga xam ni exchange bi si la ñuy gagné xaalis mooy peer to peer bi mooy li nga xam ni ñi nga xam ni on va dire ils font de petits ils traitent de petits montants duñ ko gis jamais mais di nga jéggi-jég gis benn Elon Musk bu bëgg a jënd je sais en combien de millions de dollars en bitcoin donc exchange yooyu noonu il sont en relation direct avec mineurs yi dañuy dem jënd si mineurs yi ay bitcoin à bas prix mais jaayee ko lu cher ki jëm si peer bi parce que ki dem peer to peer mooy ki nga xam ne bëggul def KYC comme li nga ko waxee mooy ki nga xam ne ñu fiché ko donc il est censé dépenser plus d'argent pour avoir ce service là donc là c'est trois moyens yi nga xam ne exchange yi am nañ ko pour gagner xaalis te ñu ngi siy gagner xaalis bu bëri xaw ma nag gis ngeen santé financière exchange yi mais je pense que waxoon naa ko euh, une fois ma ni la première personne qui va créer benn exchange au Sénégal kooku il la toucher le gros lu deuxième bi ce deuxième question bi est-ce que exchange yi instant yi nii ñu ngi mitiger wala ñu ngi jéem a régler problème KYC bi loolu xalaatuma ko parce que danga nga am comment. sécurité bi tamit wala. problème de sécurité waaw mais xam nga moom question bi est-ce que gars yi ñu ngi essayer gérer loolu par rapport a clients yi nga xam ne bëgguñu def loolu. ma ni ko est-ce que ñoom ils essaient de contrer ça. parce que nous avons deux types d'exchange Nous avons non trois types d'exchange donc les centralized exchange les decentralized exchange et les autres types d'exchange qui sont pire que pire comme ay que wala hodl hodl decentralized exchange la plupart du temps le concept la rek mais ay nit ñoo nek ci donc c'est toujours centralisé parce que soit avez ba Binance naan la day créer ben DEX c'est ironique donc centralized exchange yooyu non que ce soit les Kraken, Coinbase, ils sont obligés de faire du KYC parce que sinon, ils exister. Parce que pour nous exister, ils sont obligés de répondre ou à la de suivre la réglementation en fait du pays où ils sont. Gaï, dès lors que tu offres des services financiers aux populations, il faut que nga un ci processus de donc KYC moins, nga xam ki mais benen bi une lutte anti blanchiment d'argent, financement du terrorisme Donc là, tu es obligé de récupérer un tas d'informations sur Niti, tu es obligé de les ficher tu es obligé de faire un reporting à fisc bi wala à gendarme financier bi su fekkee dafa am kenn ko il fait des transactions qui dépassent un certain montant donc là, les banques banque ça existe mais ces exchanges aussi ça existe donc tu su fekkee ben Kraken dafa jékki-jékki par exemple né man duma l'Afrique di KYC day ici, donc lolo c'est un truc qui est là et qui va pas partir après nak y nga alternative comme un bisque même si une principal limite bisque le principal frein bi moy difficulté d'utilisation parce que pour nga mën utiliser bisque il faut que tu sois familier je dis bisque à titre d'exemple hein, mais y a solution pour nous utiliser ce genre genre solution il faut déjà que tu sois familier avec le monde crypto-monnaie le monde bitcoin il faut que tu sois familier avec les notions de cryptographie asymétrique la monnaie clé privée la monnaie clé publique il faut que aussi tu fasses confiance à cette solution là qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre Yao et Kenen kuy Après, a après beneen frein bi mooy ko et étant donné que duñ la ici. prix yi nga fa nar a jëndee c' est plus cher comme ni nga ko waxee da ngay dem Paxful kenn bëgg a jaayee la bitcoin boo xam ne tey c' à cinquante mille dollars bu bëgg la ko jaayee à soixante quinze mille dollars mais mënoo si dara soit nga jënd soit nga dem di nga gis kenn koo xam ne jaral na ko ba c' est exactement ça donc voilà quoi xaw ma na répondre naa à ta à tes questions. Euh, voilà, suma suma suma mënee rebondir juste pour pour pour peut-être par exemple première partie par plus plus tey par concrètement man idée pour def exchange parce que loolu laa bëgg a def enfin du moins loolu laa bëgg a essayer mooy il faut il faut que nécessairement par exemple comme mënoo rek ñëw nga ne da ngay il faut que nécessairement yow nga am nga am de la crypto monnaie quoi léegi nit ki yor ay français ba bu ko bu ko récupérer wala yor ay ay crypto bëgg withdraw quoi bëgg a récupérer xaalisam ko récupérer en Euh, euh, donc donc euh, première question imam surtout mooy lan moy pam yow nga xam yéen nga xamne ne yéen ngi ci univers lan moy lan moy lan moy valeur sûre quoi pam exemple lan moy crypto yo xamne ne en général nit ñi lañuy yor te yooyu la bëgg trader yooyu en tout cas yooyu lañuy ñuy bëgg withdraw wala jënd ak ak l'autre chose aussi moy euh lan moy somme quoi en général je sais ça fait sens c'est l'un de mon argent est-ce qu'ils sont dans l'ordre de 10 000 francs, ou 15 000, ou 20 000, ou 30 000, ou 50 000, je pense. Si, si, mais genre, information, il sera vraiment difficile à me connaître comme ça. Parce que, déjà, il faut venir qu'il des statistiques sur l'utilisation ou Bitcoin. T'as il y a des entreprises comme Channel Analysis, Ethereum Labs, et Elliptic Curve, euh, Elliptic, pardon. Nous, nous avons des informations, parce que nous, ils ont développé des outils justement yoo xam dañuy dem analyser blockchain yi ñu récupérer adresse IP wu nœud yi ñu xool taux de transaction yi am wala taux de mouvement yi am entre bitcoin yi entre adresse bitcoin et je pense que soo xamee <laughs> mouvement yi am di nga def juste une corrélation entre ça ak prix bi sur le marché après si ngay mën a xam montant yi xam naa ne daal soo bëggee mettre en place benn exchange li nga njëkk def mooy nga am sa benn full note benn nga familiariser sa bopp ak commande RPC c'est un peu comme API hein euh, parce que commande union les ñoo de permettre nga récupérer information sur blockchain mais nga vérifier transaction et yeneen ak tu vois mais aussi nga familiariser avec la notion de HD wallet hierarchical deterministic wallet parce que l'on lui lay de subir exchange ngay mën générer adresse yoo xam ne da ngay attribuer euh, utilisateur donc est trois premières étapes tu vois après ça va dépendre de mon type d'exchange que vous pouvez mettre en place si c'est décentralisé pas décentralisé mais si c'est peer-to-peer comme BISC par exemple il faut nga bâtir un protocole par-dessus parce que le protocole vous noonu mooy mën a gérer yow si une condition ngay surveiller a surveiller transaction entre Niti. tu vois vous ngay sécuriser transaction entre NITI, vous nan nga leen di laajee ay caution mais su fait da nga bëgg euh, exchange centralisé bah bobu il suffit juste nga def HD wallet après nga construire ben module de trading tu vois bo xamni si ngay gis ordre yi si ngay mën a matcher demande yi ak offre yi loolu rek la meuna conseiller en fait après bon si tu veux des trucs beaucoup plus poussés mën nañ si waxtaan incha ah, super, super. Merci beaucoup. Oui, Bachir, en général, KYC, il faudrait que Sénégal, voilà. Euh, pardon je excuse-moi. est pour l'Europe Europe wala Sénégal. non non man Sénégal la nek. Eh, Easy li ngay laaj. wala photo de ñir sa kanam li en général. Oh, déjà une une carte d'identité un passeport wala une euh, driver license qui euh, permis de conduire permis de conduire après beaucoup d'ougalé, ñu laaj la ñu laaj la recto bi ak verso bi après ñu laaj la benn photo selfie ak ak ak sa carte ID bi sa carte d'identité sa kanam quoi. mais comme comme fii rek la mhm. ko je vois. ça c'est compliqué sauf que sauf que sauf que en fait du du jàll quoi ça da ngay soumettre du jàll autre chose aussi mooy c'est pas c'est pas très user friendly ces gens da nga koy da ngay da ngay da nga koy bëgg a def mais par exemple boo yoree sa sa téléphone munoo munoo munoo munoo démarrer caméra par exemple donc il faut nga photo nga enregistrer ko après nga nga delluwaat ci seen site bi l'autre chose déjà amuñu app mobile euh, app web lañu am et cetera ba pare aussi frais yi dafa xaw a obscur quoi par exemple dañ la naan dañ la naan ok ñaata ñaata ñaata par exemple Ethereum nga bëgg a jënd nga ne temps nga dugal nga validé après ñu ne la ok temps lay yar yow soo demee xool par exemple ci ci ci market bi da ngay gis ne par exemple prix bi day xaw bizarre parfois plus de 12% pour cent wala treize pour cent wala quatorze dañuy yokk ci prix bi quoi te day fluctuer aussi mm. waaw loolu mooy seen marge amul amul amul benn affaire bu fixe quoi donc doo xam doo xam exactement lan ngay fay c'est c'est comme si dans genre dañuy yeewu chaque jour ñuy changer affaire bi quoi c'est vrai c'est vrai man gis na ngay xam ne la bitcoin di parvient à sortir du français à travers EasyChain waaw waaw effectivement euh, ah. waaw pour pour pour pour Nourou li nga wax c'est vrai ne defar nu beeg et cetera am un euh, après di di requêter je je je est-ce que du en terme de de de de plan technique est-ce que les muy du quoi par exemple pour mon cas man à la base euh, ingénieur développeur en domaine web donc développement web là, xam quoi donc on a interagi avec API etc. mais euh, dès qu'il s'agit par exemple euh, le, niveau supérieur c'est le benn déjà va va sax njëgu matériel par exemple pour installer un CPU, etc. ne et cetera. wala muy tourner sax toute la juste nga am ben on va machine xam nga. ben moi je disais 8 giga de RAM xam nga. Euh, on dire c'est c'est portable 8 giga de RAM ak ah, ben machine bo xamni ça fait 1 Tera de disque d'espace quoi. mais gis nga j'ai fait une vidéo récemment sur Nangay installer c'est extrêmement facile su fekkee yow déjà tu quelqu'un qui est à l'aise avec comme l'informatique ak yooyu ak il euh, yow peut-être da ngay jaawale ak minage laa doon wax sank bul ko jaawale ak minage installé benn nœud c'est juste installer ben client sur sa PC wala sa bien hardware après d'autant je parle de 8 gigas de RAM parce que ben instant il faut synchroniser blockchain bi l'on loloy bien suy tourner des vérifier transaction et jallale bloqué yooyu ay yeneen ak yeneen espace bi. C'est relatif à taille blockchain bi su fekkee da ngay am benn full node tu kuy def exchange ku dafa full node Ça, de instant yi nii blockchain bitcoin entre guillemets c'est 400 et quelques euh, gigas. giga donc plus ñuy avancé plus muy yokk donc tu anticipes tu vois mais bul le ni c'est un investissement de ouf Moi, je te conseille juste de commencer par un PC que tu n'utilises pas chez toi nga test si mu nekk sa benn genre environnement de test quoi après soo installé bien benn nœud nga utiliser environnement de test yi nga xamni ñoo Bitcoin déjà am nga rek test am nga test net am nga yeneen Les yeneen sont loolu ça va déjà être un genre POC après su que ça marche nga mëna a déjà un ay serveur wala mais bon franchement tu peux commencer petit. ok ok je vois je vois d'accord d'accord je vois euh, c'est vrai que c'est vrai que li c'est vrai amna y une différence bon commencé on a, un peu euh, euh, Bitcoin à euh, installer client etc à tester un peu mais c'est vrai que euh, je ne suis pas, je suis pas le ça quoi mais parce que justement Bitcoin Core Bitcoin CLI dans dama jël waouh, mais n'est-ce pas boo ko installé da euh, on va dire que bi vous parce que client est bëri mais bi ñuy conseillé parce que bon moi native bon moi de base bi mooy bitcoin core tu vois les bitcoin core bon non soo ko après si si ngay mën lancer donc diamond diamond bi moi permettre mu tourner mais aussi moom moi lay permettre après euh, récupérer information yep soo que defee dafa am lu ñu waxee initial blockchain download loolu nga wara bay mu tourner après ça peut prendre des jours wala des semaines ça dépend si sa qualité connexion internet ou wala si sa puissance ou machine loolu soko ko ba nga am blockchain bi blockchain ba synchroniser à 100% si ngay en tout cas la lay conseiller parce que mën nga utiliser RPC yi sans pour autant mu synchroniser à 100% mais par rapport à li nga bëgg def je te conseille mu synchroniser à 100% ba nga am données après nak si ngay commencer di tester commande yi So demee ba familiariser wu ak commande yi après, puisque tu es un développeur web, tu as juste à créer une interface entre toi ce appli web avec euh, nœud bi nœud bi représente représenter sa backend quoi tu vois parce que là on, ne parle plus de serveur mais dans tous les cas ce fait que tu as besoin tu me dis je pourrais prendre un peu de temps à peu près comment est-ce que tu peux te débrouiller avec le client Bitcoin Core quoi ok ok un problème ça ça c'est un problème euh, je pense que bi ma koy def comme man sama benn machine laa yor dama arrêté wu ci étape bi livre bi ne justement dangaa war a da dangaa war a télécharger livre bi yëpp quoi après su la neexee mën nga ko supprimer continuer mais au moins pour nga démarrer il faut nga télécharger ko yëpp te nee na mën na jël ay jours je pense foofu laa xaw a arrêté quoi je vous dis nekk c'est mort déjà machine bi dama ciy liggéey du sama machine donc télécharger ci ay giga moom mais mën nga def leneen après loolu man je le conseille hein, mais juste ne serait-ce que pour nga tester dem AWS nga def nga jël fa benn machine virtuelle tu vois euh, xaw ma tu es familier avec AWS léegi am nga Amazon euh, euh, Amazon EC2 mooy machine virtuelle de base bi après je pense que xaw ma sax ñaata giga la ñuy je sais plus ndax c'est deux mhm. giga ou quatre giga mais mën nga jël benn EC2 basique gratuit après nga commencé di si tester nga xam ni même su fekkee yow machine bi du sa machine mais peu importe machine boo dem tu pourras y avoir accès après ça, yo, mes temps par exemple tu sais que tu peux dormir 6 heures de temps 5 heures de temps nga peux mu tourner arrêter tu fais ta journée tu reviens et comme ça tu vois ça va prendre des jours des semaines mais tôt ou tard synchroniser lep et à partir de là tu vas faire parce que au final si tu fais pas ça de fois les jours passent toujours jour bu passé tu pu synchroniser une partie de la blockchain bitcoin tu vois donc là, là, les conseils quoi ok ok je vois super après l'autre chose aussi moi, solution boobu non non non scaler quoi supposons gagner ok am nga nous bitcoin après on va répéter la même opération pour chaque crypto boo bëgg supporter supporte ah, <laughs> euh, je dirais oui hein. bitcoin mais je sais que <laughs> je sais que pour Ethereum ah, d'avoir le client là qui s'appelle Guess après Yereni, je connais pas. Mais ouais. Euh, après, bon, je pense que commence déjà par Berle. Avant Yekhala Yereni. En sachant que Bitcoin, c'est la, <laughs> c'est la crypto-monnaie la plus utilisée. <laughs> commence déjà par moi. Franchement. Tout à fait. Moi, je me su ma solution comme BISC nga c'est seulement Bitcoin et Monero ils s'en sortent bien parce que je peux t'assurer que soo xoolee nga dem comme market cap, Parce que à cap tu peux faire des, tu peux, tu peux remonter dans le temps. Nga xol année bu nek mo top 10 Bitcoin toujours number 1. Mais tout le temps, classement bi stop day changer. Crypto monnaie yoy yeb di ci Donc Bitcoin c'est la valeur sûre. Après tu pourras au fur et à mesure demander Voilà, niti wala yow ses propres besoins nga ajouter yenen crypto monnaie quoi ok ok am am am problème donc loolu loolu laay def euh, man man moom nu ma ah, parce que avant peut-être deux semaines avant dama doon defaroon déjà un produit boo xam ne juste day permettre nga nga withdraw quoi nga joxe say bitcoin yu jox la jox la jox la xaalis mais ak kii laa ko defalee ak BitPay parce que BitPay da lay permettre nga accepter paiement crypto-monnaie quoi donc day mel ni genre da ngay accepter côté BitPay après de l'autre côté ma envoyé la xaalis ak arrangement de revue, en utilisant Pedunia, quoi, c'est un appel yeah. Pedunia, voilà, une tâche. Mais, faut, par exemple, dans les supporters qui étaient aussi, dans, dans un rapport avec les jeunes, quoi, ils prennent 1%. Après, yow, dans les, dans les, dans les, dans les, da ngay am juste benn callback benn api callback après ñoom bu waaji euh, sécuriser le paiement dans les 15 minutes ñu woo sa callback après yow nga valider paiement nga am xaalis sauf que bon def bima ma defaree bi pare dañ lay dañ lay en fait pour pour nga mëna pour pour ñu mëna la sétal pour ñu mëna la envoyer sa xaalis ou da nga leen jox une adresse euh, de de crypto-monnaie xam ne fa lañ lay jox donc tu reviens au problème de départ quoi yow da ngay jox nit ñi CFA mais yow après bitcoin ngay mujjé wala une une autre crypto-monnaie donc yow yaay des problème bi ou ou par exemple nga jox une adresse bancaire soo nga jox une adresse bancaire te dañu lay jox un formulaire non comme mon bras donc, da nga remplir avec des informations qui je suis sûr je n'ai pas par exemple dans leen laaj ne da nga war a da compte banque trois mois de d'activité quoi. ouais tout ça c'est compliqué mais BitPay moi, je te dirais d'éviter euh, soo bëggee une alternative open source nga dem si BTC Server parce que BTC Server par exemple vous na permettre nga créer ay invoice maanaam ay facture wala nga soo intégré sa site web nit bëgg a jënd benn affaire Vous na payer mën na fay en crypto monnaie wala su fekkee da nga bëgg recevoir ay dons tu vois gars yi def ko en crypto-monnaie juste en cliquant sur un bouton tu vois donc je te conseillerais plutôt BTC Pay Server et je pense que instant bii nii en sachant que on arrive dans un monde boo xam ni euh, beaucoup de structures e-commerce wala yeneen ak yeneen dinañ soxla recevoir des paiements en crypto-monnaie boobu mën na nekk benn filon tamit à côté de exchange à côté de portefeuille virtuel donc Là, là, on a vu, euh, je pense c'est hier, structure de Stripe. Stripe. Stripe ñu leen ham, bon su fekkee da ngeen tam utiliser ou su fekkee da ngeen tam, ham CMS WordPress par exemple vous bëggee accepté ay paiements par carte bancaire même su que du WordPress mais même site web natif Stripe ils ont des API yoo ont, ça permettait de recevoir les paiements par carte bancaire bah Stripe un ils sont en train de monter une équipe dédié crypto-monnaie parce que je pense qu'ils vont faire la même chose avec les crypto-monnaies. Donc nous nous ñu quoi donc Bachir du coup moi je conseille nga son monnaie documentée documenté sur BTC pays euh, serveur et si jamais tu as des questions xam si moom avez un problème je peux t'aider quoi sans free. ok ok super am amul xam-xam c'est vrai gis naa lu matin euh, qui Twitter kii wu- kii ñu ngi récupérer ñu ngi recruter ay ay staff ingénieur pour monter une équipe de de de de de de xam naa certainement comme tu dis dañoo bëgg supporter paiement via les crypto-monnaies Euh, d'accord amul xam je vais faire ça dinaa dinaa xool de TCP serveur comme tu dis après après je te je te ferai un je te ferai un retour mais mais sincèrement man daf ma intéressé parce que man moi j'ai des amis yoo xam ne ñoo ma découvrir loo affaire par exemple, ils ont du mal à, à, à pouvoir faire un paiement, à pouvoir acheter de la crypto-monnaie ou, récupérer leur argent, quoi. Surtout, un ami me disait que parfois, des nekk dans l'urgence, quoi. Par exemple, parfois, les muy bëgg moi juste ben, site de xam ramener, par exemple, faut programmer une notification, quoi, Pour ko naan, OK, si le cours atteint ce, ce niveau, envoie une notification wala wala wala jaayal ma, quoi. Bu par exemple, site bien sûr faire intégrer notion notion wallet quoi mais même moi mon notion wallet envoyer notification après mon connecté bitcoin yo le le quoi Mais par exemple avec solution exemple pas amul amul quoi après aussi point littéralement littéralement naira naira Nigeria naira token quoi ils ont littéralement un token stablecoin. tey rek si dernier jour programme lightning bi sama groupe y avait un gars de Bycoins pour Africa il m'expliquait qu'ils sont non custodial non ils sont conseillers. c'est-à-dire qu'ils ont une jox nit yi privée mais ñoom ñoo pas gérer ça. et ils ont plus de 50 paires de trading uh-huh. mais les gars, doon wax par rapport à madame courbe, bi su limite bi rek ou wala notifie etc. etc plateforme de trading bi ma la doon par exemple si fekkee da nga bëgg a mettre en place exchange tu es obligé de créer ben, benn exchange centralisé je m'entends tu es obligé de créer module boobu noonu de trading da ngay gis si exchange parce que module boobu mooy permettre nit yi ñu def ay euh, ordre yoo par rapport à des limites wala ay ordre yoo par rapport à des niveaux maanaam bitcoin su atteindre niveaux bii nii jëndal ma automatiquement temps xam nga wala su atteindre niveau bi ni vers le bas jaayal ma temps genre affaire demee non donc tu seras obligé de mettre ça en place sinon n'est que juste un service de notification bo xamné après nit ki mom moy defal bopam manuellement et action quoi mais ça ça devient affaire ba du trading mais bon je pense que c'est un peu c'est c'est un niveau de complexité un peu au-dessus. Hmm. Dans tous les cas dans tous les cas tout le monde ici est à ta disponibilité je pense Sauf que tu nga am tu informe da nga am De soxla façon c'est mon objectif room bi bon. ok super un problème donc amul l'autre étape de complexité parce que pour l'autre étape de complexité je xaw lire comme parce que la dernière fois bi ma waxtaan livres j'ai lu etc. mais j'ai un peu compris que tu jël le temps pour que pour ma yegg ci niveau 1 <laughs> mun naa ak aussi ressources les gens de chercher la voie la plus rapide pour nous. au moins quelque chose qui marche quand même mu pas man ak trois utiliser quoi au moins on est sûr que. c'est su pour c'est vrai c'est pour un petit réseau bon on va dire c'est pour vous faciliter la vie mais aussi ça te permet d'apprendre ça te permet de tester oui mais del del toujours suralé que j'en yii tu n'es pas tu n'es pas maître de tes clés déjà tu n'es pas maître de tes coins et tu n'es pas maître de ce qui peut se passer ñoom ñii mën nañ am problème ak seeni bakken tu seras obligé d'attendre que nous, ñu gérer loolu du yaaka donc là on en revient au problème de am intermédiation après man li n'ak. franchement je pense que c'est un bon moyen pour Jang. parce que li nga may depuis tout à l'heure en fait c'est des ce sont des choses yo xam ni effectivement soo def ak sa propre nœud yow yaa développer ce bob tu vois. Alors que là, ils l'ont déjà, ils l'ont déjà mis en place. Tu as juste à, voilà, voir <laughs> la sur le quoi, nga dem nga, nga def appel, etc. Mais donc, du coup, moi, je te conseille juste que, nga si, au moins jusqu'au bout. Après, nga def faire ben petit réseau, comme tu as dit, avec tes amis et tout. Nga essayer, nga tester. de demee nag ba comprendre. Après, nga jéem a comment est-ce qu'ils ont fait. Soo demee ba comprendre l'eau, yow nga dem ko def ak sa propre et eh, Lola, lay conseil quoi. ok top top Encore, Dina, dinaa dinaa def merci beaucoup. Inch'Allah. merci beaucoup donc du coup là on arrive au bout de deux heures. je vais ah, je vais. cool hein. ouais, franchement mais c'est assez intéressant y a une inbox benn samay Vous togle mais nous vraiment ñu les lay quoi gars a vraiment tey Nous niveau bi kawe na ko dire. ñoo ko bokk ñoo bokk gars donc je vous le mot de la fin à partir de grand Idrissa. waaw oh, macha allah macha allah affaire bi tellement que déggoo na taal chaque fois macha allah Bachir moom te dugal ñu koy woo muy laqatu instant yii moom xëy na Merci grand Idriss. Euh, Maguette Sauf que yaa une bon grand oui. voilà ni ah, ngi dégg Je j'ai pas suivi j'ai un peu loupé le le début de ton intervention Nourou quand tu faisais un peu le récap de Bachir et ses solutions très compliquées qu'il qu'il a mis en en En tout cas, man, li de c'est très compliqué pour moi. J'entends du, du bit euh, de qui, bon. Moi, personnellement, j'ai des cryptos et j'utilise pas des, c'est <laughs> une solution I, quoi. Mais bon. Je pense que quand même, ça fait sens. en de' c'est des choses qui ont, qui peuvent marcher et qui sont une solution parmi, parmi peut-être d'autres. Et comme tu dis, euh, Nourou, c'est peut-être des choses qui te permettent d'avoir la main mise sur tes, sur tes bitcoins et ne pas dépendre d'un tiers. Mais bon. J'ai pas tout suivi, donc euh, je sais pas après à quel moment vous m'avez interpellé. Non, Graoul, Maguette, en fait, grand Bachir m'a expliqué affaire ils mu doon mais affaire yu par rapport voilà mom, il va au-delà même de garder crypto-monnaie wala di ko yónnee di jot moom c'est plus exchange tu vois wala permettre nit yi ñu mën a jënd ak seeni xaalis CFA bitcoin wala suñ ko bëggee jaay joxe bitcoin yooyu recevoir CFA donc loolu la doon expliquer quoi grosso modo mais j'ai aussi entendu que lui, il passe par toujours un tiers hein, pour acheter des bitcoins. Je sais plus. Euh, il a parlé de Paydunia à un moment. Donc, euh, dit même s'il veut acheter, il passe quand même par un tiers. Ah, euh, si tu permets, nous, le grand Maguette, en fait, Paydunia, c'est une solution d'agrégation de paiement, quoi. En il te permet, te permet d'accepter sur un site, enfin, sur une application web pour généraliser des paiements via les mobile money ou via les cartes bancaires donc en quelque sorte par exemple boo amee site de e-commerce nga bëgg nit ñi la faille par Orange Money donc utiliser Paydunia donc quand je parle de Paydunia c'est par exemple quand quelqu'un vient euh, veut acheter de la crypto mais yorul par exemple amul luxe ou mën a dem jënd bon non non bon disons juste yorul carte bancaire donc wala wala mobile money Orange Money la yor wala Wave la qui donc Paydunia da permettre si ce site nga accepter paiement boobu non quoi via Orange Money via Wave L'autre chose qui permet de faire, c'est que dañ nga débourser sur des numéros. Par exemple, nit ki nit ki yor puce Orange par exemple nga envoyer de l'argent mais de manière programmatique quoi. Nga une application par exemple on xam da un tous les mois donc nga war un def déboursement de masse benn nga def Donc par exemple tey un exchange ni xam jox crypto mën nga utiliser Paydunia pour envoyer un charisme. mais c'est une solution d'agrégation de paiement comme genre Stripe ou quoi wala Paystack. mais PayPal. Wallet paye PayPal mais plus plus ou Stripe parce qu'ils ont plus API etc. je pense que PayPal même ils doivent utiliser des API hein. je pense que effectivement ils ont Braintree je pense qui qui yoo ce mais bon c'est que je veux pas trop faire de pub moi je sais pas pourquoi les gens ne t'orientent pas vers une solution telle que un exchange comme Binance. Ah, il est sur la bonne voie, quoi. Là, il est en train de créer quelque chose de, En, fait, moi, je suis plus intéressé par, peut-être, peut-être pas, peut-être pas Yo, mais pas, pas, pas, des gens qui sont, qui n'ont pas de, qui n'ont pas cette possibilité, quoi, de pouvoir acheter des cryptos avec une carte banque, qui n'ont pas, nous euh, ramené, l'inclusion bancaire ne nous a pas encore enrôlés, quoi. Nous ramené juste iMobile Money, nous beaucoup de quand même de la crypto parce que la volatilité les intéresse, quoi bëgg nañu am affaire bi doon li tay yokk yokk après ñu ñu jaayaat quoi l'autre chose aussi moi par exemple ça même moi je mën naa intéressé mën par exemple yoroo yoroo sa carte bancaire yorul xaalis mais yor nga Orange Money sa xaalis pourquoi pas Orange Money effectivement li ça ça m'intéresse hein. c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à un moment je me suis posé cette question mais j'ai trouvé d'autres solutions aujourd'hui qui qui me permettent de de quitter mon compte Orange Money de transiter sur une carte bancaire euh, prépayée à partir de cette carte bancaire prépayée d'acheter mes mes trucs. Bon, c'est une solution. Euh, <laughs> voilà, c'est, je fais double, on va appeler ça double rebond. Hein, damay <laughs> quitte mon compte Orange Money, je vais acheter un, un truc que je perds quelques sous ensuite ma jugaat pour dugg dans dans l'exchange je perds encore quelques sous bon c'est les frais mais bon on les accepte on espère que on espérer ni bout boo duggee que la volatilité va comme tu dis va être un peu à ton profit et te permettra d'oublier un peu. Mmh. Ces, du coup en fait grand Maguette je pense que vous, dites à peu près la même chose. Hein. C'est juste que tu te dis que les solutions que tu utilises sont simples. Voilà. Il suffit nga dem un compte Binance, nga nga de fa que nga jënd sa crypto, nga génne ko et cetera. Binance, it Bob, il dit qu'il veut mettre en place des solutions comme ça, mais avec la possibilité pour les gens de payer via mobile money Il y a une solution qui ça requiert pas compte bancaire donc alors Mon problème c'est que au tout début, ce sera juste la liquidité, mais au fur et à mesure, que tu ça va aller. Et je pense que au fur et à mesure, par exemple, si demoon mettre en place solution pour non affaire il y a par exemple nga xam ne utiliser Binance, di nga quitter Binance pour dem ci Donc au final, c'est ça va ensemble quoi. Mais merci si intervention Du coup, nous avançons si bye. vraiment très très heureux de vous Kubaay c' c'est très intéressant euh, xam naa nekk xam naa gudd na si yéen ñoom nekk ngay Europe mais on est di sant yéen ñëpp wax yàlla ba ko merci donc Bouna Bachir pour la conclusion. waaw merci beaucoup vraiment merci pour pour la et pour les réponses très intéressantes Yalla, yalla, yàlla fay euh, juste mu après su ma mënee envoyé yoy qui lien yoy nga doon wax yoo xam ne da lay nga mën gis information ci utilisation bitcoin yi crypto yi par par pays et cetera soo ma ko mënee envoyé ce serait ce serait top euh, sinon jërëjëf yàlla na yalla yàlla fay. amul problème inshallah dañ ko def. merci beaucoup à tout le monde donc comme lu leen ko waxee won li dama ko épisode bi ni pas épisode bi mais room bi ni dañ ko enregistrer won dañ ko jéem a dugal YouTube comme ça ñëpp mun ci jëriñu. Donc déjà, de de et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Gaï. Joseph, good night.